vous, chers auditrices et auditeurs. C'est un réel plaisir pour nous de vous accompagner dans cette émission Le Niger sur Kalangou de ce mardi 15 août 2023. Aujourd'hui, l'émission est co-animée par moi-même, Top Draman et Mariam Adey. Mariam, comment tu vas Je vais super bien, Rukaya, et j'espère apparaître chez toi. Alors, on a quoi au menu du jour Mariam, comme d'habitude, nous débutons cette émission par le flash d'information et comme invité ce matin, nous recevons M. Loukman Ali Youssouf. C'est un jeune entrepreneur spécialisé dans la vente des pièces détachées de marque Toyota. Dans ces numéros, nous aurons également la rubrique Écho des régions qui nous amène à Dosso. Il y aura également la rubrique Hebdo, le loti préparé par l'équipe femme du studio Kalangu et notre page sport. L'édition est assurée par Adama Dawaki et la technique par Issa Lawali. Chers auditeurs, c'est avec le flash d'information que nous ouvrons cette émission. Il nous est proposé par Mokhtar Hamadou. Bonjour, Bonjour Mokhtar. Bonjour Maria Adé, bonjour Rouketou Abdraman. Le flash d'information à présent. Dans un communiqué rendu public hier 14 août, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a rappelé l'ambassadeur du Niger en poste à Abidjan en Côte d'Ivoire pour consultation. Cette mesure prise par les nouvelles autorités nigériennes fait suite aux propos qualifiés d'exagérément menaçants de Alassane Draman Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Il relayait les conclusions du sommet de la CDAO, poursuit le communiqué, avec une agressivité notoire les mesures et sanctions à l'encontre du Niger et de son peuple. La nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Dr Elisabeth Sherif, a pris fonction hier en fin de matinée au sein de son ministère. Cette passation de service entre la ministre et les secrétaires généraux des deux ministères regroupés en un seul, couplée à une séance de prise de contact avec le personnel, a été suivie d'échanges entre les deux parties ayant porté sur plusieurs points dont essentiellement les préparatifs de la rentrée scolaire prochaine. La condamnation de l'acteur de la société civile Abdoulaye Seydou a été annulée en appel au cours de l'audience d'hier 14 août. Le 14 avril, le tribunal de grande instance hors classe de Niamey a condamné Abdoulaye Seydou à 9 mois de prison ferme et 1 million de francs CFA d'amende pour production et diffusion des données de nature à troubler l'ordre public. Ces accusations sont en lien avec les dénonciations faites par le M62 de violation des droits humains imputables aux forces de défense et de sécurité du Niger sur les populations civile lors de leurs opérations militaires à Tamou, au département de Saï, région de Tillabéri, le 24 octobre 2022. Et c'est tout pour le flash d'information de ce mardi 15 août 2023. Merci Mouktar. À la semaine prochaine. Comme invité ce matin, nous recevons Lukman Ali Youssouf, un jeune entrepreneur qui va nous parler de son travail. Mais avant Ruki, nous allons écouter de la musique. Oui, Mariam, on va écouter le son marraine du groupe Processus Verbal. Je veux que tu sois ma reine, que tu sois ma reine sois ma reine, mon ghetto love, ma gangsta gueule, que tu sois ma reine, que tu sois ma reine. Que tu sois ma reine, mon ghetto love, ma gangsta gueule. tu es celle que j'aime. Tu es celle que j'aime, celle que j'aime, celle que j'aime. Je suis calé ici, ici, toi t'es au Morocco. Si, sois ma calé ici, oh, je serai ton drogue. C'est ma vie que tu domines, tu m'aimes trop, je le devine. L'homme de deuil, vie de dingue, qui te parle mal, je le flingue. Casque intégral sur la moto, on fait des descentes, j'ai des photos. Vas-y, file-moi toutes tes photos. Ceux qui parlent mal, c'est des plutôt. Allez, mets le son, vas-y dans sa peau, T'es mon éventaire, déchets toi ma belle. Tu le sais bien, je te veux. mon mariage si Dieu le veut. Lune de miel, t'es plus pompe T'es gosses, je ne peux que te Si t'es ma reine, je suis ton roi T'es ma pompe, je suis des mineurs Je fais ma rime, à parler de toi Je le fais comme je le sens Si tu ton l'amour, je le porte Quelqu'un gosse que le Que tu sois ma reine Que tu sois ma reine que tu sois ma reine, mon ghetto love, ma gangsta girl. que tu sois ma reine, que tu sois ma reine, que tu sois ma reine, mon ghetto love, ma gangsta girl. gueule. Tu es celle que j'aime. Tu es celle que j'aime. Celle que j'aime. Celle que j'aime pas loupé, j'ai bien reçu un trou dans le cœur. Avec toi, pas besoin de compter, vu qu'ensemble nous ne pas qu'un. Sois ma bonne, je serai ton Clyde, on vivra une histoire sans fin. On franchira toutes les limites de quoi pousser notre destin. qu'à pousser le bras de fer, venant de moi, j'en suis pas fier. Les mon étaient j'étais comme des pierres qu'on peut encaisser et se taire. On demeure tous riches du cœur, la hache de guerre, faut qu'on l'enterre. Si vraiment cette vie est éphémère, nous mourrons qu'une vie éternelle. J'aime pas quand on se dispute ou que tu décides de prendre la fuite N'écoute pas ces langues de pute, ils font tout juste pour voir notre chute C'est j'te larme, ni à mort, te promets, une vie en or Quand les sentiments sont sales, comment parler de ça Que tu sois ma reine que tu sois ma reine, mon ghetto love, ma game girl que tu sois ma reine, que tu sois ma reine, que tu sois ma reine, mon ghetto love, ma game saga. Tu es celle que j'aime. Tu es celle que j'aime, celle que j'aime, celle que j'aime. Allume-moi un bédo et je te passerai la tête. Et laisse-moi m'allonger sur tes genoux et caresse-moi la tête. Dis-moi que tu m'aimes et dis-le tout bas. Dis-leur que ton mec vient des quartiers d'en bas. Laissez-le parler, réponds-leur et puis quoi Et puis quoi besoin de polémique Mon cœur tu l'as dévalisé Je n'ai pas peur qu'à mettre fidèle, tu me l'as juré je veux que tu sois ma reine, celle que j'aime, celle qui me fait vivre un rêve. Qui va et toi au sommet de toutes les mauvaises terres. Je pour toi, bébé, t'es ma fleur. Toi-même, tu le sais, t'as l'écho de mon cœur. Sur toi, je pourrais même passer des heures. Douceur, oublie, fais-moi jouir. Laisse-moi rentrer dans ton paradis. Bébé, t'es ma vie, c'est ton cœur que vise. Attends qu'il nous porte de mauvais pour me faire la vie. Que tu sois ma reine, que tu sois ma reine que tu sois ma reine, mon ghetto-love, ma gangsta-girl. que tu sois ma reine, que tu sois ma reine. Que tu sois ma reine, mon ghetto-love, ma gangsta-girl. Tu es celle que j'aime. Tu es celle que j'aime, celle que j'aime, celle que j'aime. que tu sois ma reine que tu que j'aime. Verbal est un groupe de hip-hop du Niger qui évolue dans le rap, du RB et de la pop music. La bande est constituée de trois jeunes artistes. Leur premier mixtape au cœur du rap est sorti en 2015. Après cette sublime mélodie, chers auditeurs et auditrices, il est l'heure pour nous d'écouter notre entretien du jour. Bonjour, avez vous présenter s'il vous plaît et aussi dites-nous vous exercez quoi comme métier. Je me nomme Lukman Ali, j'ai une licence en marketing international. J'ai une boutique de vente de pièces détachées automobiles. Je suis spécialisé dans la marque Toyota, surtout la marque Toyota. Euh, j'ai été inspiré en quelque sorte par un ami, si je peux le dire, qui, lui, il est spécialisé dans la marque Mercedes. Donc j'ai été inspiré par lui. Souvent on est ensemble, il y a des gens qui l'appellent, qui ont besoin de telle pièce, de telle pièce de Toyota. Et voilà, donc ça m'a inspiré. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas couvrir cette demande-là Je lui ai fait la proposition, il m'a en tout cas encouragé que ça, ça pouvait aussi l'aider. Ça pouvait lui réduire les tâches parce que il a des clients qui ont des Mercedes et aussi des Toyota. Donc, ils ont confiance en lui en fait et ils préfèrent toujours se, référer à lui pour couvrir leurs besoins en, en service Toyota. Il m'a vraiment conseillé d'aborder ce domaine-là. Donc, euh, je me suis mis dedans. Mon entreprise plutôt, elle s'appelle Lai Automobile. On a un garage sur le 100 mètres, sur le goudron 100 mètres, est les plateaux au niveau de cinq portes. de travail en quelque sorte ensemble. Et lui, c'est Matassa Otto C'est surtout lui qui m'a vraiment encouragé. Il m'a motivé et je me suis mis dedans. Et là, je remercie Dieu, Alhamdulillah, grâce à ça. Bon, ça va. Arrivez-vous à joindre les deux bouts avec ce métier Le marché, ça va, c'est pas toujours agréable comme on le souhaite, mais voilà. Tant que souvent ça va, donc on ne se plaint pas trop. Alhamdulillah. Tant qu'on arrive à satisfaire ses petits besoins et tout, et satisfaire aussi sa clientèle surtout, c'est le plus important. Il y, a des, il y a des jours un peu difficiles, il y a des semaines difficiles, il y a, des semaines qui ne sont pas vraiment mouvementées. On a pas mal de contraintes. Souvent, les prix des marchandises peuvent varier des pièces compte tenu de, plusieurs facteurs, par exemple compte tenu de, la situation avec la frontière du Nigeria parce que y a une grande partie des marchandises qui viennent du Nigeria et forcément le prix du transport et autres, forcément ça va augmenter. Et si tout ça augmente, on n'a pas le choix. Le prix de la marchandise aussi doit augmenter, obligé, mais bon, souvent quand même on arrive à se forcer, à satisfaire les clients en quelque sorte, et si je peux le dire, comme ils ont l'habitude de, prendre les trucs. On peut se forcer souvent, mais pas toujours, vu que tout le monde est au courant de la situation. Donc voilà, vraiment, c'est un domaine, ça va, ça rapporte. Si, vraiment tu, arrives à gérer, parce que voilà, il y a pas mal de, de charges et de dépenses. Il y a les apprentis, il y a les travailleurs et tout. il Y a, il y a tout ça à gérer. Donc, vous voyez, nous, on n'arrive pas à, vraiment faire les comptes par jour. Souvent, tu as, tu as, tu as souvent des, services à rendre un peu tard la nuit. Donc voilà, un peu très tôt le matin, avant même de te rendre, il y a des gens qui t'appellent, ils ont besoin d'un petit truc, d'un petit dépannage et tout. Donc souvent, on arrive à faire et à regrouper les choses peut-être par semaine comme ça, à la fin de la semaine, les avoir libérés, les, les travailleurs et tout. Bon, tu peux, bon, je sais pas, je vais pas trop faire sortir les trucs, je, je considère ça comme un secret professionnel, mais c'est quand même un bénéfice, si je peux le dire, de plus de la centaine quand même, 2000. Voilà, fidèles auditeurs, avant de poursuivre notre entretien, faisons un autre tour musical avec cette fois-ci le son Kidding Soyeya de Benji et Rabi. radical. benji, toi-même tu sais, c'est de la bombe, mais Sur ce beat, tu viens, tu bouges ton corps. Phénoménal, NCI, radical. Benji, toi-même tu sais, c'est de la bombe, mais Sur ce beat, tu viens, tu bouges ton corps. Oh, Hanawa. Idan hanawa na san wata ran baka hana ba. Mon ya oh lady girl mon amour my lover. Dans cette vie d'amour soleil, je pense à toi ma chérie my kamar wata sallah don tsananin daɗi na yi waka wannan waka yan soyayya bon kerfe bum bum bum beya ole diger mona muru mai loba wasa ba faɗa ba ne ba kai yaro ya zagi babba duniya taɓawa ka san wani ne ba zai taɓa ba wata ran da mu ake yi wata rana ba da mu ba za a yi ko mun mace na gambo ko tsuha ya ishe mu encontrados pra cá. يا راس فور ون بلس سيكي بقول الزمان قال لك سنتير قبل كده دبل ملاذ قبل كده كاتس يا yarinya mai kyau ka gani kana so arte ba a baka wata ran za a baka ke da musu gurmi za su baka yadda ke da musu gurmi ko sun yarda da kai ke da musu gurmi ko ta su baka yadda wata ran za su baka yadda ba su baka wata ran za su baka yarinya mai kyau ka gani kana so arte ba su baka ke da musu gurmi wata ran za su baka ke da musu gurmi ko sun yarda da kai ka bani Get on my gurumi, my lover. à toi, ma chérie, my lover. One and so mon cœur fait Kes kerti bo alor zan banka Benji, originaire à Desander, il est aussi acteur. Il a joué dans la célèbre série nigérienne Fada, diffusée par une télévision internationale. Dans cette chanson, Mariam, il parle d'amour et d'opposition des parents auxquels la main de leur fille est demandée. L'émission Les Niger sur Kalangu se poursuit avec l'entretien du jour. Alors, Monsieur Lukman, dites-nous, vous avez rencontré des difficultés dans ce travail Oui, ça va, ça va, j'arrive à m'en sortir. Euh, ça va pas mal, on se plaint pas, il y a certes des difficultés. Dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment très fréquent les difficultés, les petites déprogrammations, les petits accidents et tout, voilà, les petites pertes surtout. Et souvent les petits blocages dans le marché, voilà, en fonction des périodes et tout. Parce que même dans les pièces, vous avez par exemple des trucs vraiment qui s'achètent souvent en fonction des saisons. Par exemple, quand vous avez des compresseurs pour la climatisation, c'est vraiment surtout pendant la période de chaleur que ça s'achète. Quand vous prenez par exemple l'exemple des trucs, des alternateurs, les amortisseurs et autres, c'est surtout pendant la saison pluvieuse parce qu'ils ne supportent pas vraiment la pluie, les eaux et compte tenu de l'état de nos routes, ça dit tout vraiment. Bon, mes études, j'ai pas vraiment, j'ai pas vraiment fini parce que là, j'ai un master. J'ai décidé de mettre une petite pause après ma licence pour des raisons personnelles, mais je compte très bientôt reprendre mes études et terminer mon master minimum. Ce qui concerne le, travail, bon, voilà, tout est une question de temps. On remet tout dans les mains du Tout-Puissant, mais quand même, on ne s'assoit pas, on ne baisse pas les bras, on n'arrête pas de déposer les dossiers et tout, voilà. De, de taper un peu partout, voir ce que ça peut donner. Mais jusque-là, quand même, on est toujours dans l'attente. J'ai eu à faire quelques stages, surtout dans des institutions étatiques, surtout. Et j'ai choisi surtout le public pour faire stage euh, je me dis, bon, il, faut, il faut vraiment savoir comment ça tourne, comment marche le pays, les institutions publiques, les, transactions de l'État et tout, voilà. Comment ça marche dans les institutions étatiques. C'est juste ça qui m'a motivé à vraiment faire plein de stages. J'ai à faire plein de stages, quelque chose de banalement deux ans ou trois ans de stage comme ça. Pour finir, dites-nous quel appel lancez-vous aux jeunes qui nous écoutent actuellement sur cette émission Il ne faut vraiment pas rester les bras croisés, attendre papa, maman ou bien l'État. <clears throat> Il faut aussi se bouger, il faut faire tout ce qui, tout ce qui nous passe devant. Il faut vraiment saisir les opportunités, il ne faut pas faire trop de choix. que nous sommes les futurs leaders du pays, donc voilà, il faut vraiment montrer sa motivation diminuer les temps sur les fadas. Merci vraiment. c'est un plaisir pour moi de participer à cette émission. une petite pause avant d'attaquer notre rubrique hebdomadaire. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Située dans le département de Gaïa, région de Dosso, la formation sanitaire de Yelou est un CSI de type 2 qui couvre environ plus de 24 000 habitants auxquels sont rattachés 56 villages avec un accès souvent difficile. Pour en savoir plus, Gungu Mahaman s'est entretenu au téléphone avec la responsable du CSI, Dr Amina Hamidou. On l'écoute. Le CSI de Yelou, c'est un CSI de type 2. Il couvre environ 24 363 habitants. On a 56 villages rattachés au CSP 6 villages qui sont situés dans le rayon 0,5 km, 15 villages à plus de 15 km d'accès difficile. Il y a un rayon qui compris entre 5 et 15 km. La majorité des villages se situent dans ce rayon. Est-ce que vous avez assez de moyens de déplacement au niveau du CSI, nous disposons d'une seule ambulance qui est fonctionnelle. Nous l'utilisons en cas d'évacuation. Pendant la saison pluvieuse, la route est impraticable. Il faut faire le grand contour, 69 km entre Gaïa et Yelou. Et pendant la saison pluvieuse, pour évacuer un malade, il faut au moins deux heures de temps pour aller au district. Docteur, comment est-ce que les femmes fréquentent la maternité du côté de la maternité, nous avons plusieurs services que nous offrons. Il y a la CPNR, c'est la consultation prénatale récentrée pour les femmes enceintes. Du début de la grossesse, nous les suivons jusqu'à la fin. Cette consultation, elle est faite au début de la grossesse. Les femmes viennent du lundi au vendredi. Chaque jour, nous faisons la consultation prénatale et les femmes viennent abondamment d'un village au CSI. Il y a la planification familiale aussi. Les femmes viennent pour prendre leur méthode contraceptive. L'accouchement, ils viennent aussi. Ceux qui sont proches parce que des fois, il y a l'accès difficile. D'autres n'ont pas les moyens. C'est ce qui fait notre difficulté. On a toujours un taux d'accouchement bas vu l'accès difficile. Est-ce que ces femmes euh, rurales sont sensibilisées pour venir au centre de santé oui, elles sont sensibilisées. Il y a les sorties foraines et les sorties mobiles. C'est même l'équipe du CSI qui se déplace pour aller vers les zones ou les sites. Un site peut regrouper deux, trois villages ou même quatre villages où ils peuvent avoir leurs soins, que ce soit préventif ou curatif. Quelles sont les difficultés qui entravent votre activité la difficulté, c'est surtout une personne qui est gravement malade, il ne peut pas venir parce qu'il n'a pas les moyens. Les moyens, par exemple, quoi le reçu. Le c'est deux formes de reçu. Il y a à 1300 et 2100 francs qui est pour la mise en observation. Un malade qui va venir même avec 1300, là, il ne peut pas venir aussi. Merci Gungu pour ce reportage. à Rukaya, une autre tournée musicale avec le son Commando de Mamaki Boys. ba girin girin ba tana ƙasa tana dabu ba girin girin ba mamaki mu muna tashe ku ku zo mu taka bi surundu kan kan kan gwanwa bon komondo gwanwa mun yi girgiza haure goma sun zube tara na gilgidi biyar na reto makinka rabka mini ni kiɗi in cicira gaba gaba in daddatsa dalla dalla in kera riga wuya sama kwarwabon komando giri ko yangate nijar ko dangira bibli ko go folera zakai ko go nufiyara wane ne bai san da haka Yar gode barkatai album ba mai gobe sai wane ne bai san anan muna da rap hardcore muna da rap reggaeman muna da rap ragaman muna da rap R&B har muna da rap Solomon a kwana an ka tashi kai shuru kawai kake ji kama a shuka dissa matar na kirari an gashe faso danje ba a mai danje ba amma gashi da yawa sun bace wane ne bai sanda haka ina ne duka suka shiga kuma menene sanadiyya haka laihi mu ne artist ko laihi na gwamnati lahi namu na biblik kai abin na son bincike haba maza ku tashi mata ku kuma ku kama ku kama kuma mu jimire ba ta yiwa a kwance mu da namu mu fuma irin na shekarun baya mu ci yahi laɗewa ba girin girin ba ta yi mai ne muke so ba girin girin ba tana ƙasa tana damu ba girin girin ba mamaki mu muna tashe ku ku zo mu taka maribi surundu gwarwon bon komando komando ga nijar da arzikin gargajiya iri-iri kayan kiɗi daban-daban al'adu kala-kala in ka kunna rediyo ko ka kunna talbijin sai fara'a sai murna gashi zamani ya canza sai waƙoƙin gwarawa waƙoƙin turawa ga gashiran wando da 'yan matsatsar riga kash amma abin da kunya duk zo mu gina nijar al'adu muna da su kakanninmu sun bai kowa bar gida gida ma ya bar shi dan uwa wani maino su bai mu. ma ko biyayyar artist talino wani gwamnati talino bibiliki talino wani fara gano talino so kai gwa da wa maholkin arne shigo fage bar tsoro mamaki ba mu da sarau dan ganin hadari sai kuna ta wanka da ƙasa yanzu ga hadarin ba ruwa kuma ba iska kai riga ce da ba wuya muka ɗinka in tana maka daidai sai ka ɗau mun baka. Warobon komando gargajiya ta Nijar. Warobon komando rawa irin ta Nijar. Warobon komando rafar ku zo mu taka. Warobon komando ani matar ku taka. Warobon komando en c'est pas fini ku taka. Warobon komando en chorégraphie ku taka. Warobon komando en dandali ku wanda bai juya ba gidan sulumbun toka wanda bai duka ba gidan sulumbun toka wanda bai taɗi ba gidan sulumbun toka Formé en 2002 par Aziz Tony, Bashu Issoufou et André Salif, le groupe Mamaki Boys s'inscrivait pleinement dans la renaissance culturelle numérique au début de la décennie. Leur musique traditionnelle et villageoise se transformait peu à peu à un hip-hop local underground au rythme frénétique. Le hip-hop devenait de plus en plus présent dans la capitale à l'époque où fleurissaient de plus en plus des studios DUI en Afrique de l'Ouest. Rocky, le reportage région de ce mardi 15 août nous conduit à Tawa, département de Birnunkoni, pour parler du problème d'eau au niveau du prémature irrigué. Oui, périmètre, irrigué, Mariam, malgré le récent aménagement du site, l'eau manque à cause du changement climatique et les actions de l'homme, a déclaré Hamissou Aliobako, délégué chargé de la gestion de l'eau au niveau du secteur 4 du périmètre irrigué de bernien konni Il nous explique ici le processus de pompage d'eau en surface. Hamissou Aliobako est interrogé par Asuman Aboubakar. muna cikin gandayen kwanni yankin da ya shahi wajen banu nijar kuwa shi kuma wannan yankin ya dauki daga nan har zuwa gadar tumbaku wanda ake yi ma saktar kat kenan to rami ne ko ne eh rami ne da aka gina dan a ruwa tun da suna can kasa ne su ne muka gina muka gina in kuna ganin iskali ne gashi nan bayan iskali sannan a sauka cikin ramin nan ne za a ɗaura injin a jawo ruwan na injin da zai ɗauko su halbo su sama a yi amfani da su to shi wanga perimeter aka gyara ba tunanin ruwa ba ne ko koya ne aka yi ruwa an ce kuma sana sana ba mutane su perimeter eh ruwa wahalar suke ba da kun san da akwai canjin yanayi da aka samu na ɗaya na biyu kuma daga ruwan da aka samu daga sama ne dama ruwan gandarin kunna ana amfani da su ne yawan ruwan da aka samu na sama tafukan da ke ɗaukowa su ba a yi amfani da su su ba gandarin kunni tun daga zango emozagi zango da terasa to na farko dai ruwan da ake yi shekarun nan sun rage irin da aka saba yanzu a baya na biyu kuma can baya mu labarin da muke samu irin can yankin buza maradi can baya an yi madatsar wanda aka daddance su tun da towa suke tun daga nesa su zo su cika tafki in sun cika tafkin mozagi shine in ya cika aka buɗiya na zango ya cika in na zango ya cika ya zo ya ba na tirasa to ruwan ba su tahowa inda suke zowa daga can bayan nan kuma wannan an rage samun ruwa na sama sosai irin yadda ake samu a da da haka yanzu ba magana ruwa irin wannan to shi tsabon tsarin da aka yi na gyare-gyaren wannan wurin ba a ɗoki kamar lissahi ba a ɗoki ruwa ba ne inda za a sarrafa su ko ko a wani furash ko a wasu abubuwa haka cikin koken da muka kai musu mu an tanke delege su mca mun gaya musu in dai har ana son gandarin ga na kone ya rayu to lalle lalle sai an yi furash sai an nemo ruwa da ƙasa paske ruwan sama yanzu dai a yadda yanayin yake badawa ruwan nan masu tuwa daga sama ba sa iya amfana da gandaren kwanne ko raya gandaren kwanne mun kai koke ya hiso nawa akan adibu hanyar da ya kamata a yi in ta ce su zo a kai wurin shugaban kasa a samu a yi doruwan nan na kasa ya aka samu aka yi forage forage ko da can tafkin ne in ma ba a iya yi nan cikin ekoki mai can din dai a samu da za a hiddo ruwa na ƙasa tunda akwai ruwa ƙasa ta yadda za a samu tabukan nan su cika in tabukan nan ya cika dukkan durkan ga na ƙwanne ruwa zai so wadatace su to su wace amsa suka bako. eh kwanakin baya an ce sun turo mission sun ta sun diva tunda ba mu samu mun kai wani ensemble ba har zuwa yanzu balle mu samu wani amsa daga bayan abin da mun ka faɗi can na koken da mun ka bada ba to ko yanzu wani kira ke kiraye kiraye dai paske duk gyaran gada an kai makonni in babu ruwa gandaran kwanni an yi banza domin in wani da karhin da zai iya yin wanga rijiyan wani ba da shi sannan ba ko ina bane ake yin na a cin ruwa ana iya kashe duk san mil wurin ga kuma a kasa samu ruwan e, ginin nan ɗaya wannan ginin ɗaya kakin a kai ga ruwan tun yanzu wannan gida ya yi ta zaman lahiya shine a gine ta kuma da dutse in ba ka ba an yi ruwan sama sun zo kwaɗa za ta yi to kun ga ba kowa da karhin yin wannan ba Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Fidèles auditeurs, si vous venez de, nous capter, vous êtes bien sûr sur l'émission Le Niger sur Kalangou et c'est le moment pour nous de recevoir Gourouza Hassoumi pour la partie sport. Bonjour Gourouza. Ah, bonjour Mariam, bonjour Ruki. Bonjour Gourouza. Bonjour. Alors Gourouza, nous allons parler des tournois des grandes vacances qui se poursuivent un peu partout à Niamey. Oui, euh, Mariam, les TGV se déroulent dans les quatre coins de la capitale. À Dar Salam, vous vous rappelez, le tournoi des grandes vacances se poursuit et prendra fin d'heure aujourd'hui 15 euh, août 2023. Et dans l'enceinte euh, du CG El Hadji tchimogo Jibo Samna. Au niveau de Lazare, les matchs se déroulent euh, dans de bonnes conditions. C'est un TGV d'ailleurs qui a 10 ans et les rencontres se passent au complexe saka Dabori. La finale est prévue le 21 août prochain. Quittons Lazare pour Yantala pour faire un clin d'œil au plus ancien tournoi des grandes vacances de Niami. Et il a 31 ans, ça se joue à l'école primaire Yantala 2. Et chaque soir, vous, avez, euh, vous voyez l'engouement que ça suscite euh, dans le quartier. Les jeunes, personnes âgées, enfants, chacun vient pour supporter son équipe. La finale du TGV de Yantala aura lieu le 2 septembre prochain. Il faut noter eh, qu'il y a pas mal de TGV qui se jouent, Ruki, eh, Mariam, Bokochi, Harobanda, Bassora, bref, nous y reviendrons plus en cours dans nos prochaines éditions. Et, et quels sont les avantages de ces TGV-là Oui, Ruki, eh, les tournois des grandes vacances sont d'une importance capitale. D'abord, la cohésion entre les joueurs, la jeunesse des quartiers différents. Ensuite, c'est au cours de ces tournois qu'on déniche les jeunes talents qui jouent très très très bien pour la Ligue régionale, la Ligue nationale et la Super Ligue. Parce que les entraîneurs et dirigeants des clubs font le tour de ces TGV pour recruter. Et enfin, enfin, ça anime le quartier. Alors, Gourouza, la Coupe du Monde féminine de football tire à sa fin. Oui, Mariam, les deux demi-finalistes vont se jouer, les deux demi-finales, pardon, vont se jouer aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, mardi 15 août 2023, la première demi-finale va mettre aux prises l'Espagne à la Suède. La deuxième demi-finale opposera demain, mercredi 16 août 2023, Australie à l'Angleterre. Le samedi prochain est prévu pour la troisième place et le dimanche pour la grande finale. Mais il faut noter très bien que l'Afrique a été représentée par le Maroc, l'Afrique du Sud, le Nigeria et la Zambie. Malheureusement, l'Afrique n'a pas pu s'imposer à cette Coupe du Monde d'âme. Merci Gourouza. à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Après l'espoir, nous enchaînons avec la rubrique portrait qui nous amène à la découverte des Mépésés. âgé de 46 ans, Soumaïla Barké connu sous le nom de Maïpézé et natif de la commune de Soukoutan dans la région de Dosso. L'activité principale de Soumela est la vente de ferraille dans un quartier périphérique à Niamey. Il achète la ferraille par kilo et revend en gros. Voici son portrait avec Oumou Oumarou. tsohon baturka yanka ka kamuna muna sayi kamar tsohon jawaya wadda an ga kone kenan kamar irin gunta gunta nan don muna sayi haka nan na kawai muke sayi kawai irin suna sai alminiyon falau shi ma irin wanga da aka banye kya ko tsohon lalakun abin ga duk an dai muka same shi dai kamar na abin bilo ko na abin motan motan gar dai muna sayan su kamar hakan ga dai to yanzu su maila yanzu aikin ga dake kana shekara nawa da ka fara to yanzu kamar haka shekara ga ta hudu nake cikin ta yanzu kamar haka me ya ba zara da ka fara aikin ga na sai da kara kamar rashin sana'a yi na yanzu da banga wadda zani na ba ke ta kawai na fara nake yin ta nika samu abin da ci da gidana dan da ka tai wurin wani kai tsaye kenan ka gani kuma dai duwar da ka kai dai ka samu ka ci da gidanka dai alhamdulillah kamar yanzu suwa suke kam wallahi ni kamar haka sai dai yaran kamar irin yaran gana na gari ko masu tarkununan ga yan sun biyo kamar haka ga dai sai su amin kai wa kai sai dama to ni ka haka wallahi in tarsuwa na dai haka dai ni sami wani in ce zaka yi sai in ni kuma in sai ga yara yara haka ga da masu tarkununan ga masu biya suna huciya to yanzu tun da ka fara aikin ga zuwa yau ka taɓa samu matsala a'a gaskiya ban same ta ba kuma Allah kare da ita menene gurin da an gare ka in samu da in taimaka ma al'ummar da a ƙasa garan ko wanda kuma wani bai bada wani taimako in yara kuma in taimaka mishi kuma in taimaka ma addini karamin wani irin kira ne zaka ma gwamnati to wallahi dai ka irin su da inda su a gane na su taimaka mana mu da da karamin jallen ga wallahi ga kakkaje ɗaya biyu ku jallen na da matsala gare mu tunda inda akwai jalli na da ke ga abin bai zama haka a ta jidali yanzu haka ga wasu kaya kana so ko ka ɗauka ka kai kakka yanzu ka haka dan sayan da za'a yi ba wani sayan kirki dan ba kar jallen kirki shine an matsala nan dai mu wahala muka abin duk masu dauka su kai kasashen sun yi samun wani abin kirki bisa ga kasuwancin gara muke to yanzu wani irin kira zaka matasan kenan ko kamar a tashi duk wanda aka samu kaɗan kaɗan nan ana yi dan in kace zama za ka yi ƙarshen ruwa kwari tunda da za a yi kenan ke ga duk wanda ta shi na bi abin da ci sha samu abin da ci sha ke gani bai swata amma duk wanda ka ga bai aikin komi karshen ruwa kwari swata kenan zashi Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Les auditeurs, pour notre avant-dernière tournée en musique, nous allons retrouver des Décoté avec son titre Dans Adam. wai su ko sai so muna dauke ashe ina zaki da mu Zander, Salus Mahmoudou, dit de côté, est un jeune artiste musicien qui aujourd'hui a gagné la confiance de plusieurs jeunes filles et garçons de la capitale de Il est le fondateur de l'orchestre Mazandaga de l'Aïr avec son actif 5 albums. Voyons à présent ce que les femmes du studio Kalangu nous ont réservé. Aujourd'hui, on va parler des fake news, c'est-à-dire des fausses informations véhiculées parfois pour porter atteinte à l'honneur et à l'intégrité des victimes. Ils peuvent avoir plusieurs conséquences sur le plan judiciaire et moral. C'est pourquoi aujourd'hui, dans la rubrique Loti, les femmes du studio Kalangu appellent à plus de prudence dans le partage des nouvelles véhiculées à travers les réseaux sociaux. Rekia Arimi et Samira Rafi affairage, affairage, affairage, affairage. tu cries mon nom comme ça Qu'est-ce qui t'arrive Regarde ce que je viens de recevoir dans un groupe sur WhatsApp. Le président du parti PFK Fetila est en train de distribuer de l'argent dans tous les villages environnants pour qu'on vote pour lui. Tu es sûr de ce que tu dis Qui t'a envoyé le message Toi aussi. Ce n'est pas important. Il l'a fait, non hum. Nous sommes du camp opposé. On partage au maximum. Attention, ma chérie. Si ce n'est pas vérifié, cela s'appelle de la fausse information. C'est aussi une diffamation. Si ce n'est pas vrai, pourquoi est-ce que c'est publié Mais pour les nuire. En tout cas, je te préviens que le partage des fake news comporte énormément de risques. Désormais, le chantage, la diffamation et autres infractions par voie électronique sont sanctionnées. Subhanallah. Ah oui, sache même qu'une loi a été adoptée au Niger en 2019 pour réprimer la cybercriminalité. Il s'agit de loi numéro 2019-33 du 3 juillet 2019. Cela veut dire que ces genres d'infractions sont sévèrement sanctionnées et peuvent aller de la confiscation du matériel de travail à l'interdiction de diffusion des messages électroniques sur les sites ou tout support électronique. Aussi, il peut y avoir des peines privative des libertés et des amendes. Comment Ma chérie, tout ce que tu dis là, ce n'est pas un peu exagéré Moi, je ne fais que lire et partager les informations chaudes. Hey, ma grande, méfie-toi, hein. Tu risques de te brûler un jour en partageant cette information sur le président de Fitila. Si jamais elle n'est pas vérifiée, tu portes atteinte à la dignité de cet homme. C'est quand même une diffamation. C'est très grave. Ah bon C'est vraiment sérieux ces histoires. Hein. Mais si c'est comme ça, vraiment ma chérie, je te dois toute ma gratitude pour m'avoir si bien éclairée. Hé hey, Regina. <laughs> pas de quoi. Tu m'as même interrompu. Je n'ai pas fini de t'énumérer ce qu'est l'ordonnance sur la cybercriminalité. Hé, eh, ne finis pas ta phrase. Je t'écoute. Continue seulement. Si tu commets une infraction via un moyen de communication électronique, le juge va ordonner à titre complémentaire de publier à tes frais par extrait la décision sur le même support dans les 15 jours suivants de la date de la condamnation. Si tu ne les fais pas, tu seras condamné de 6 à 3 ans d'emprisonnement et une amende allant de 1 à 10 millions. Oui, oui, oui. Mais c'est compliqué d'utiliser les supports électroniques maintenant. Facilement, on peut nuire à une autre personne sans même le vouloir. Mais ceux qui le font exprès, en payant les frais alors. D'ailleurs, j'arrête d'utiliser WhatsApp. Je vais même désinstaller l'application. Ainsi, je serai plus tenté de publier quoi que ce soit. <laughs> <laughs> non, arrête, qu'est-ce que tu fais Tu n'as pas besoin de te couper du monde. Évite juste de partager n'importe quoi. Hmm, d'accord, je vais y veiller. <laughs> tu as vu, non Oublie ça. Viens voir cette vidéo. Ah, non, non, non, non. <laughs> non, non, non, non. J'espère que ce n'est pas pour nuire encore à une autre personne. Ah, moi j'ai eu ma leçon. Non, c'est la vidéo de mon anniversaire. Ah, ok. Fais voir. connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, nous allons recevoir à présent Gungu Maman Dantani pour la culture linguistique. Il va nous réexpliquer un mot qui n'est pas nouveau sur ce plateau. Il s'agit bien sûr du mot apatride. Dans ces studios, nous sommes avec Gungu Mohamed Danteni. Avec lui, nous allons découvrir les mots apatridi. Bonjour Gungu. Bonjour Mariam. Et bien, merci d'abord à l'émission Le Niger sur Kalangu pour m'avoir invité et parler un peu de l'apatridi. Qu'est-ce que c'est que l'apatridi Il faut d'abord retenir que le droit international définit un apatride comme une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant en application de la pour dire les choses simplement, un apatride ne possède euh, la nationalité d'aucun pays. Certaines personnes sont nées apatrides alors que d'autres le deviennent. Il y a des apatrides dans toutes les régions du monde. La majorité de ces personnes sont nées dans les pays où ils ont toujours vécu. Le fait d'être apatride a souvent des conséquences graves qui durent toute la vie souvent exclus du berceau de la tombe, privés d'entité juridique à la naissance, privés d'accès à l'éducation, aux soins médicaux, au mariage, à l'emploi pendant leur vie et même privés de la dignité et d'un certificat de décès à leur mort. Beaucoup transmettent la patrie à leurs enfants qui la transmettent ensuite à la génération suivante Aujourd'hui, des millions de personnes qui sont privées de leur nationalité dans le monde luttent pour obtenir euh, des droits élémentaires que la plupart d'entre nous considèrent comme acquis. Alors, euh, si vous le permettez, je m'en vais euh, traduire ce que je viens de dire en français pour permettre aux autres aussi de comprendre. ma'anar apatride da hausa marasa 'yan ya fayyace a patrick da wato marasa 'yan kasance mutum wanda ba kasar da ta ɗauke shi tamkar ɗan asalin ƙasarta bisa dokar ƙasa hakan ana nunin kawai ne duk maras 'yan kasanci da bai da takardar shaidar 'yan kasanci na kowace ƙasa wasu mutane ana haifuwarsu cikin yanayin maras 'yan kasanci wasu kuma na zama marasa 'yan kasanci daga baya ana samun marasa 'yan kasanci da dama a cikin yankunan duniya wasu marasa 'yan kasancin an haife su ne a cikin kasashen da suka gudanar da dukkan rayuwarsu rashin 'yan kasanci yawanci lokuta yakan haddasa tasiri mai sakamakon haɗari da ke kanta tsawon rayuwarsa miliyoyin mutane sun rasa 'yan kasancinsu a fadin duniya kuma suke fafutukar samun wannan 'yanci mafi kananci wanda yawancinmu ke ganin tamkar an same shi ne wani bi wa'anda aka ware rayuwarsu har zuwa makwanta aka hana wa takardar shaidar gano rayuwarsu a shara'ance aka hanawa samun ilmantarwa kulawar samun magani samun aure samun aiki a cikin rayuwarsu har ma masu rasa mutuncin binnewa a hukumance da kuma ba da takardar shaidar sun rasu da dama na ɓallawa 'ya'yansu rashin 'yan kasancin da yaran su kuma ke ɓallawa zuri'arsu mai bi musu. Merci bien Gungu d'enrichir notre vocabulaire avec cette rubrique. Ruki notre tour à musique avec les sons Zamani de Abdoumade. zamani when ya j'en ai marre, mon frère, où que tu sois, ici même ou quelque part. Dis-toi qu'aujourd'hui ou demain j'aurai ma part. Lève ta tête, regarde l'image du ciel. Le jour, soleil, soleil et la nuit, c'est les étoiles. Après la pluie, c'est le beau temps qui s'entale. Inspirons-nous de ce mystère naturel afin de bien saisir que chaque chose a son time. Apprécie ta petite fille, remercie Seigneur car il a toujours aimé pour ce monde d'ici-bas.

Casada dele corre vai, nada você. Ele casada dele corre vai. Stay você não, nyeza arza kufondo. Ele corre one no, se for gagoi. Gente koi, inganda dunga no handful. Se foi gana si de, el baga matun gagoi. Ele mugabo sudai. Ele kotala no girga, hey. Ele mugabo sudai. Sugata no, gaugata na wa, hey. Yeah man. Chers auditeurs et auditrices, ici prend fin cette émission de ce mardi 15 août 2023. Vous étiez en compagnie de Mariam Adé et Rukayetu Abdurrahman. L'édition a été assurée par Adam Dawachi et la technique par Issa Lawali. Excellente journée à vous.